le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou auditeurs et du studio Kalangu, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du forum du studio Kalangu. Le studio Kalangu au rythme du Niger dont vous suivez le programme grâce à son réseau constitué de 20 radios partenaires. Ces radios partenaires qui diffusent en direct sont basées dans tous les chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlit, de Tirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï la montée de la violence de la société nigérienne. C'est cette thématique qui nous occupera ce soir pendant 45 minutes, qui disent les différentes obédiences, à savoir l'islam et le christianisme, de la violence, qu'elle soit physique, morale ou verbale, Comment expliquer cette montée de violence qu'on remarque de plus en plus de la société nigérienne Comment endiguer ces phénomènes de violence grandissante Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons comme invité avec nous sur ce plateau Pasteur Hamidou Zakou, membre du comité de dialogue interreligieux CEDIR. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Oustaz Abdel Fattah prédicateur. Bonsoir, Oustaz Abdel Fattah. Bonsoir et Sani Janjouna qui est sociologue avec nous également sur ce plateau. Bonsoir Sani. Oui, bonsoir. Bienvenue à tous. Montée de la violence de la société nigérienne, c'est notre thème du jour. Pour planter les décors, je m'en veux vous rappeler trois images d'une violence inédite qui resteront à jamais gravées dans l'esprit des Nigériens. En janvier 2015, l'on se souvient des émeutes de Niamey et Zender organisées suite à la visite du président Issoufou Mamadou en France pour soutenir le journal Charlie Hebdo, victime d'attaques terroristes, pour avoir caricaturé le prophète Mohamed P. sur lui. Ces émeutes du 17 et 16, 16 euh, et 17 janvier 2015 ont été d'une très grande violence. Toutes les voies de la capitale jonchées de pneus brûlés, plusieurs bars et églises incendiées ainsi que des pillages de biens particuliers. Il y a aussi près d'une dizaine de morts. Une autre image de violence, c'est celle du 10 avril 2017 où la violence qui a caractérisé les affrontements entre forces de l'ordre et étudiants a fait un étudiant tué du nom de Kelumi Bagale Mala et de nombreux blessés. L'une des images choquantes des événements du 10 avril, c'est surtout cette vidéo qui a fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux et où on voyait un jeune étudiant torturé par des policiers qui l'obligeaient à réciter, je cite, Vive la police, abat l'USN. Fin de citation. Le dernier acte de violence en date, c'est le double meurtre qui s'est passé au quartier couron Nord le 4 mai dernier. Un homme présenté pour avoir tué un gardien s'est trouvé lynché à mort par une foule. Ensuite, le cadavre est brûlé en plein jour et au bon milieu du goudron, comme si cela ne suffisait pas, les photos et la vidéo de la scène ont fait le tour des réseaux sociaux. En dehors de ces trois exemples, il y a des actes de violence que l'on observe au quotidien, que ce soit des violences physiques euh, ou verbales, insultes également sur les réseaux sociaux. Alors, je m'en vais commencer avec vous, Staz Abdel Fattah Mahmoudou qu'est-ce qui rentre dans euh, le champ de la violence en islam Que dit la religion sur la, euh, violence Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu ashraf al Muhammadun alam D'abord en se référant à l'explication, c'est-à-dire à la définition du musulman. On sait que l'islam est très loin de la violence. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, al salim wa Le musulman est celui-là qui met à l'abri les autres du mal de sa langue et du mal de ses membres. Donc, euh, ici, on ne voit pas de violence dedans. Secondo, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit encore qui est le croyant. Il dit que le croyant est celui-là qui met en sécurité les hommes et leurs biens. Ici aussi, il n'y a pas de violence. Malheureusement, les gens, dans leur pratique, soit par ignorance, soit par passion, agissent très très très loin de l'islam. Ce n'est pas l'islam qui prend la violence. Pasteur Hamidou Zakou, quel est le regard que porte le christianisme euh, sur la violence euh, Tout d'abord, je voudrais saluer vraiment la radio, effectivement, qui nous a invités pour pouvoir parler de ce thème combien important. En tout cas, au regard de, la foi chrétienne, nous pouvons dire que la violence est quelque chose euh, qui est là, en quelque sorte, il un peu, si on peut le dire comme ça, dans la vie de l'être humain puisque les origines de la violence remontent un peu à l'histoire de l'homme. À travers la chute de l'homme, le péché est rentré dans la vie de l'homme, ce qui fait que l'homme est devenu un être méchant en ce sens que vraiment il a violé la loi de Dieu. Et cela a amené tous les êtres aujourd'hui, si on peut faire tout juste un petit résumé, à manifester des signes de violence compte tenu de la semence du péché qui est en eux, mais aussi de certaines réalités socio-politiques et économiques qui sont là au travers, en tout cas, de la société. Alors, le christianisme, comment est-ce qu'elle euh, considère certains actes de, violence Donc, en ce qui concerne le point de vue chrétien, je dirais tout simplement que le christianisme en lui-même n'est pas vraiment une religion de violence. Parce que nous avons vu l'exemple de Jésus. C'est un exemple parfait de paix et d'amour et d'ailleurs, il a dit, ne devez rien à personne sinon de vous aimer les uns les autres et de vous faire le bien. Donc, le christianisme, en tout cas, donne en tout cas un aval de faire le bien à tous, à tous. Et quand on regarde de, A à Z à travers la parole de Dieu que nous avons, à la Bible, nous voyons que Jésus a toujours montré le bien fondé de la paix. La paix avec les uns et les autres, la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Donc il n'y a pas de violence mais certaines réalités font en sorte qu'aujourd'hui, la violence est en train de croître. Donc c'est pourquoi je dis, il y a certaines réalités qui sont là, peut-être que nous aurons à voir avec euh, les questions prochaines. D'accord. Et Sani Janjouna, vous êtes sociologue. Alors la violence, un caractère inné de l'homme ou un comportement acquis euh, certains philosophes auraient déjà dit hein, quelque chose par rapport à la question que l'homme n'est bon, c'est la société qui le pervertit. En vérité, l'origine de la violence se trouve immanquablement euh, inhérent à l'homme en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain. Si on s'en tient d'abord aux aspects religieux, comme l'ont évoqué mes prédécesseurs, euh, Dieu, nous créant, connaissait véritablement ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle il a créé l'enfer hein, et le paradis. Mais en même temps, il nous a dotés d'un bon sens cette faculté qui va nous permettre de choisir euh, la bonne voie ou la mauvaise voie qui conduit au paradis ou qui conduit effectivement à l'enfer. Donc nous, nous estimons sociologiquement que le propre de l'homme, la violence. Elle est le propre de l'homme. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue même religieux, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, tous, il y a eu toutes ces religions ont donné un modèle de vie en société en vue de socialiser cette violence qui est inhérente en chacun d'entre nous. La rendre sociale, cela voudrait dire qu'on va essayer de la dompter, la domestiquer, l'apprivoiser pour que l'individu arrive à accepter son prochain. Parce que nous sommes tous différents. Chacun n'est redevable, en tout cas vis-à-vis de son Dieu, que par rapport à ce qu'il a eu à faire. Mais le fait de vivre ensemble avec l'autre est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais en même temps, seul, on n'est rien. C'est en fait là où se trouve l'origine prépondérante, si vous voulez, fondamentale même de la violence. Parce que seul, on n'est rien, on est condamné à vivre avec les autres. Et les autres ne feront jamais ce qu'on veut, et on ne pourra pas aussi faire ce que les autres veulent toujours. Et à partir de là naît l'idée de conflit. Et c'est ça que les religions ont tenté, tentent encore de juguler, de gérer. Malheureusement, ce n'est pas toujours que les religions arrivent à le faire. Raison pour laquelle, donc, euh, ces sanctions sont prévues par euh, Dieu dans ce sens. Alors, si on essaie de voir, c'est un aspect véritablement social. Dès lors que volume et densité de la population croissent, il va sans dire qu'on va assister à un taux élevé de violence. Imaginez une société où un million d'habitants vivent, un million d'habitants, les gens vivent ensemble, ils partagent leur quotidien. Là où il y a 5 millions, là où il y a 20 millions d'habitants, il va sans dire que la violence, vous allez constater que elle est proportionnelle au nombre d'habitants. Niamey ne connaissait pas, par exemple, ce phénomène il y a quelques 10, 20 ans. Mais aujourd'hui, Niamey est en passe de dépasser, si vous voulez, les 1 million d'habitants. Alors qu'avant, on était à peine 500 000, 600 000, 700 000. Et plus la ville croit plus effectivement de comportements en termes de stratégie que chaque individu aura à développer pour gagner sa vie, pour gagner sa pitance quotidienne, vont s'accroître. Les rivalités entre les individus vont de pair avec l'expression du stress, l'expression de certaines pathologies psychologiques, des pathologies sociales qui vont apparaître, ce qui fait que il y a des individus qui vont être engagés dans la voie normale, mm. d'autres vont se faire voir, en tout cas dans la voie qui n'est pas tout à fait normale. Alors, tout à l'heure, nous avons euh, évoqué quelques exemples. Qu'est-ce qui retient, vous, votre attention particulièrement dans ces trois exemples que nous avons donnés de violence C'est d'abord cette forme de violence qui a été récupérée, utilisée, manipulée. Lorsque on considère les événements d'avril 2015, 2015, euh, janvier 2015 on constate une certaine forme de manipulation. C'est un cri de cœur, certes lié à une certaine forme d'expression de la foi, mais qui, somme toute, a été récupéré par des individus à d'autres fins. On se souvient de ces événements. Ce n'était pas que véritablement religieux. Et qu'est-ce qui a été utilisé C'était la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, c'est en fait un peu l'expression de la santé ou encore de la maladie d'une population, d'un pays donné. Le Niger en dispose d'une quantité suffisante, en tout cas de jeunes, souvent qui sont là et capables, malheureusement, euh, très suggestibles, qui peuvent être influencés d'une manière ou d'une autre. Parce que frustrés aussi par les hommes politiques, frustrés par la vie sociale, étant entendu qu'ils sont même sans repère, sans avenir, il suffit d'un rien pour que le feu s'enclenche. Nous allons revenir par rapport à ces aspects particuliers, ces raisons qui, euh, qui, amènent souvent à constater toutes ces violences. Mais euh, dans, dans les autres exemples, qu'est-ce qui, en tout cas, choque le plus Qu'est-ce qui euh, Alors, ce qui choque, c'est le caractère non récupératif, le second. Pour ce qui est du cas de la vendetta en termes de vengeance, qui, euh, par rapport au gardien qui a été tué hein, tout récemment à la couronne nord. Mhm. Euh, alors, dans ce cas de figure, ce qui choque le plus, c'est le fait que les gens se font violence eux-mêmes, se font justice, j'allais dire eux-mêmes. Ils ont choisi de faire justice eux-mêmes sans savoir véritablement ce qui s'est réellement passé. Tout acte de mort, en tout cas d'homicide, est en soi condamnable. Mais ce n'est pas pour autant aussi une raison de se faire justice. Donc il y a eu un emballement. Et quelque part, même s'il il ne faut pas peut-être évoquer la cause dès à présent, c'est en fait un peu le ras-le-bol de la population vis-à-vis de la justice. Peut-être la population sent que le justiciable n'est pas véritablement, en tout cas, pris en compte dans le traitement de certaines questions et qu'il décide la population décide elle-même alors de se faire justice. Donc, il y a cette récupération aussi d'un euh, euh, point de vue euh, politique, d'un point de vue religieux, mais dans ce cas de figure, c'est vraiment une vengeance lié à un mécontentement populaire, un, un le bol si vous voulez, qui consiste en un ras-le-bol par rapport vraiment à l'exercice du pouvoir judiciaire que la population estime être lésée. Alors, euh, pasteur Hamidou Zakou, on avait donc évoqué un certain nombre d'exemples de violence. On se souvient, c'est lui, en tout cas, qui est, les, chrétiens gardent en mémoire, c'est celui de janvier 2015 où, oh. quand même, un certain nombre d'églises ont été euh, brûlées. Euh, comment, à l'époque, euh, la situation a été gérée Bon, en fait, euh, par rapport à cet aspect-là, nous pouvons dire que vraiment c'est une situation très difficile à évoquer d'ailleurs, parce que je fais partie d'ailleurs des gens qui ont été violentés personnellement. Mais euh, nous pouvons dire que du point de vue religieux, parce que nous sommes des religieux, nous croyons en Dieu et nous avons des aspects très importants qui guident nos pas et c'est en ce sens que nous, nous avons choisi le chemin du pardon. Nous avons, si vous avez vu sur les zones, nous avons dit effectivement ce qui a été fait est mauvais et vraiment sans fondement, mais nous avons choisi le chemin du pardon, comme le Christ lui-même nous l'a vraiment conseillé. Il a dit pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aussi pardonné. Parce que nous, nous avons dans nos écritures cet aspect pardon de Dieu, parce que quiconque ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Même quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui pardonner. Il faut voir au-delà de cette personne, parce que nous, nous pensons que eh, derrière tout être humain, en tout cas qui fait le mal, il y a un esprit quelque part, il y a quelque chose, une main invisible, qui pousse les hommes souvent à la violence. Et ce faisant, nous avons en tout cas pensé que derrière ces gens tout le sociologue est en train de dire qu'il y a eu une certaine manipulation. Mais nous aussi, nous pensons qu'il y a une manipulation, mais pas seulement euh, une, manipulation humaine. Nous pensons qu'il y a même une, manipulation des ténèbres, des puissances des ténèbres qui agissent. Qu'est-ce que ça veut dire Les puissances des ténèbres, c'est-à-dire, c'est satanique. Il y a des forces du mal, Satan, les démons, qui agissent effectivement contre la vie des humains. Parce que nous savons que Satan n'aime pas Dieu, et il n'aimera jamais celui qui aime Dieu. Donc en ce sens, il va pousser les uns les autres à se détruire pour pouvoir se glorifier au, euh, détriment du Créateur qui doit être honoré, glorifié et, euh, pour qui les gens doivent vivre librement. Et quel commentaire sur les autres, les autres cas euh, les autres cas, je peux dire aussi que vraiment toutes ces choses-là, effectivement, ces violences que nous voyons tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de Couronne Nord, moi, je n'ai pas vu personnellement la photo, mais j'en ai entendu. J'ai entendu vraiment ce cas-là. Et je me dis que ces choses-là, ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans nos sociétés. Surtout ici au Niger, nous ne connaissons pas ces cas-là. Des cas de, de, tuerie, plus, euh, euh, euh, le fait d'incendier, vraiment nous ne connaissons pas ces cas. Et nous pouvons penser que c'est la montée effectivement de la colère des hommes qui est en train de faire cela. Et qu'est-ce qui fait que la colère des hommes augmente Ça veut dire qu'ils sentent qu'ils ne sont pas euh, vraiment, ils, ne sont pas protégés. Nous allons revenir au aux raisons. Nous mm-hmm. allons revenir aux, raisons. Le temps de donner la parole à Oustaz Abdul Fattah prédicateur. Alors, Oustaz, on avait donc abordé ces trois exemples. Tout à l'heure, on évoquait celui de janvier 2015. À l'époque, quel a été votre rôle euh, pour tenter de, calmer la situation euh, qui avait en tout cas dégénéré et dont beaucoup avaient pensé que c'était en quelque sorte un islam radical, radicaliste qui était à la base. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna nafsa la amaratun L'âme bestiale de l'homme lui inspire toujours du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore ailleurs Wa nafsin wa ma sawaha. C'est Dieu qui a créé l'âme. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dieu lui a inspiré. L'âme connaît ce qui est bon. Et l'âme connaît ce qui est mauvais. Et Dieu dit, Kad aflaha zakaha, a récolté la chance celui qui a purifié son âme. Si l'on peut comprendre cette situation, il y a d'abord l'ignorance. Quiconque n'a pas de religion est ignorant. D'accord Puisque Allah subhanahu wa ta'ala compare je voudrais qu'on aille un peu plus vite, mais particulièrement, particulièrement par rapport à la situation qu'on avait évoquée, mhm. la situation de, 2015. Oui. Ceux qui pensent qu'ils ont agi au nom de l'islam, ils n'ont pas agi au nom de l'islam. Puisque l'islam ne nous recommande pas d'avoir la violence. L'islam ne nous demande pas d'aller brûler l'église. Loin s'en faut. L'islam, il faudrait voir quand le messager sallallahu alayhi wa sallam a été séquestré à la Mecque il a envoyé ses vitelles vers des chrétiens. Et quand il est venu aussi à Médine, il était resté avec des chrétiens. Et aujourd'hui, il nous est recommandé dans le Coran, quand un chrétien vient vers moi qui a des problèmes, on me demande de le sécuriser, de le mettre à l'abri du mal. Non. Si je vous dis que c'est dans l'ignorance que les gens ont agi. Alors, on a vu aussi l'autre exemple, euh, l'autre cas de, meurtre où ce monsieur qui a été tué, ensuite euh, brûlé. Euh, là aussi, que dit l'islam par rapport à ces, ces genres Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les péchés dévastateurs, il y a le meurtre. Vous tuez quelqu'un sans raison. Aucune loi ne vous permet pas de le tuer, vous le tuez. Donc ça fait partie des Le châtiment par le feu. D'abord, tuer d'abord, que ce soit châtiment par le feu là est réservé seulement par Dieu. On ne peut châtier personne par le feu. C'est Dieu qui peut châtier par le feu. Donc ici, il y a eu usurpation de titre. Ce que Dieu doit faire, quelqu'un s'est mis à la place de Dieu pour agir. Non. Et Allah nous dit, quiconque met fin à une seule vie, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Alors, en dehors de ces trois exemples qu'on avait cités, euh, euh, sociologue Jean-Jonas Sani, euh, quelle autre image de violence vous gardez encore en mémoire Bon, la violence, en tout cas celle qu'on peut avoir à l'esprit, en examinant ces deux cas précités, c'est le fait que tout simplement, nous vivons dans une forme de violence au quotidien, celle qu'on peut retrouver au niveau des familles respectives la violence dans la vie conjugale, la violence vis-à-vis des enfants, la violence vis-à-vis du pouvoir politique sur les pauvres citoyens, la violence des forces, de la force publique, par exemple des militaires, sur des populations civiles ou des gens parce qu'ils sont euh, investis d'une certaine forme de mission républicaine qui agissent méchamment sur la population, ou cette forme de violence, en tout cas, que les gens vivent d'un point de vue professionnel sur leur lieu de service. Parce que quelqu'un, tout simplement, il est patron, il peut exercer aussi une certaine forme de traumatisme, de violence, en tout cas, sur les employés. Donc, c'est la violence, en cela qu'effectivement, elle est inhérente à nous. Nous cherchons euh, à la socialiser, la socialiser pour qu'elle soit acceptable et le moins grave possible par rapport à notre vie au quotidien. Pasteur Amidou Douzakou, d'autres images de violence que vous gardez de, de, la nigérienne Oui, effectivement, il y en a tellement, parce que moi je vis à Kwarategi. Et autour de moi, on peut dire que la violence est omniprésente. D'autant plus qu'avant ces actes-là qui ont été posés euh, au courant nord, à Kouarateji, il y a déjà un jeune homme qui a tué sa mère. Il y a une femme tout juste à côté de l'église, là où je vis, qui a une femme qui s'est suicidée il y a un jeune homme qui a tué son ami. Donc on peut dire que la violence est omniprésente et ce n'est pas seulement ces cas, il y a toujours des cas de violence parce que souvent ça c'est des cas extrêmes. Mais on peut remarquer autour de nous tous les jours la violence. Même sur nous qui sommes là-bas, vraiment nous voyons que le seul fait de voir les enfants passer, et euh, jeter des cailloux sur l'église, au moment où les gens sont en train de, d'adorer Dieu, jeter des cailloux, crier, se frapper ou bien frapper nos enfants parce que tout simplement ils ne sont pas de la même religion, ça montre que la violence est omniprésente. Donc on peut dire que la violence est là, mais cela ne nous étonne pas parce qu'il est écrit que vers la fin des temps, les hommes vont s'éloigner du bien et ils, Oui, et ils vont faire du mal, ils vont devenir des parents amis de l'argent, amis du bien et ennemis de Dieu et des gens de Dieu, des gens de bien. Donc, euh, ce sont des choses qui sont là, mais je crois que en tant que religieux, en tant que euh, Nigériens et autres, nous devrons quand même lutter, nous donner une main d'association, enseigner, parce que tout à l'heure, euh, le prédicateur a touché un aspect très important, il a dit l'ignorance. Voilà, cela nous amène d'ailleurs à rentrer donc euh, dans les, raisons fondamentales qui font que euh, on remarque euh, cette flambée de violence. Alors, pour ce qui est du cas du Niger, qu'est-ce qui peut bien expliquer, selon vous, toute cette, toute cette En tout cas, selon l'analyse qui est omniprésente, comme vous l'avez dit d'ailleurs. L'analyse que moi j'ai pu faire en tant que religieux de la croissance vraiment des violences, c'est que tout d'abord il y a l'ignorance. Les gens sont ignorants d'abord ils ignorent d'abord leur religion, le plus souvent. Ils ignorent la vérité, parce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, lorsque vous, connaîtrez, vous allez connaître la vérité, vous n'allez pas vivre n'importe comment. Vous allez vivre dans la lumière, sachant que vous aurez un jour à répondre de vos actes devant Dieu. Donc on ne peut pas se permettre pour de. Pour l'éducation en, tout cas est en cause. L'éducation, oui, oui. L'éducation vraiment est un aspect très important qu'on doit revoir. C'est-à-dire on doit revoir l'éducation familiale d'abord. L'éducation en famille. D'abord, la violence, tout à l'heure, le sociologue a touché un aspect aussi très important. Au niveau des familles, il faut que les parents se chargent vraiment. Nous allons revenir au il faut que qui sont les solutions. Voilà. Mais d'abord. Euh, Donc il y a, l'ignorance. Il y a euh, l'ignorance. Euh, oui. Il y a la pauvreté la pauvreté qui joue un rôle très important dans... la violence. Parce que souvent, en oui, en ce sens que ceux qui n'ont pas les moyens, quand ils voient quelqu'un avec quelque chose là, ils pensent que non, il ne le mérite pas. Pourquoi lui, il a ça et que lui, il n'en a pas Donc tout ça, ça pousse les gens à agir d'une autre manière. Vous voyez Donc il y a l'ignorance, il y a la pauvreté, il y a euh, le manque de civisme. Le manque de civisme aujourd'hui, l'instruction civique et morale, ça manque pour le respect du bien public. le respect du bien public, le respect de, de, l'autre, le respect de la personne, de la dignité humaine. Toutes ces choses-là manquent. Merci. <laughs> Euh, euh, Oustaz Abdel Fattah qu'est-ce qui euh, expliquerait en tout cas toute cette violence selon vous Pasteur avait évoqué la question de l'éducation, mhm. la question de la pauvreté. quelle autre raison pourrait expliquer cette montée de violence Tout cela réunit nous conduit à savoir que la société est malade. C'est-à-dire que les gens ont des cœurs malades et il faut les soigner. Et l'homme ne peut être homme tant qu'il n'est pas avec Dieu, il est avec le diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ceux-là qui ne sont pas avec Dieu, ils sont comme des bêtes. Et plus égarés même que des bêtes. Donc la question de, la de la foi. L'homme ne peut être homme que quand il est avec Dieu. Une fois qu'il n'est pas avec Dieu, il est, avec le diable. Il, est pire qu'un animal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont la raison, ce n'est pas pour réfléchir, ce n'est pas pour cerner la vérité. Ils ont les yeux, ce n'est pas pour voir. Et ils ont les oreilles, ce n'est pas pour entendre. Donc la meilleure façon maintenant d'éduquer, de ramener l'homme à la raison, il faut l'amener à suivre Dieu. Donc la foi, la, foi. Euh, euh, Sani Janjouna, alors nous avons vu un certain nombre de raisons. Quelle autre raison n'a pas été évoquée ici par rapport à toute cette montée de violence euh, Il y a beaucoup de raisons. Mais je crois que quelle que soit la raison, elle trouve son fondement dans ce que mes prédécesseurs-là avaient déjà soulevé. C'est la question de repères. L'absence de repères sociologiques à une société. Le problème du Niger, c'est ça. Nous sommes dans une société où chacun vit au hasard. On gère nos sociétés de façon artisanale. L'État a la lourde responsabilité de faire en sorte que chaque famille gère ses enfants, se gère elle-même comme ça se doit, en lui présentant des repères. Ces repères, lorsque ça manque, c'est ce qui crée tous ces problèmes. C'est quoi ces repères Ces repères, nous sommes une société à 98% on dit musulmane. L'islam dit voilà la voie à suivre, la bonne voie, celle que le prédicateur a évoquée tout de suite. Et je maintiens qu'elle ne contraste pas encore avec la voie que nos frères chrétiens effectivement défendent, à quelques exceptions près, tout ce que le musulman aura à poser comme acte dans le sens de la religion, le chrétien ne dira pas que c'est faux, et vice-versa. Cela voudrait dire que tous au Niger, qu'on soit musulman ou chrétien, il y a une voie qui nous a été indiquée par le même Dieu que nous adorons. Mais malheureusement, c'est le repère. C'est-à-dire le, le Coran et la Sonate. J'arrive, mais en même temps, pour les chrétiens, la Bible. Qu'est-ce qui se pose comme problème Les gens se disent musulmans, mais est-ce qu'ils appliquent réellement ce que l'islam dit Les gens se disent chrétiens. Est-ce que réellement ils adhèrent à ce que Jésus leur a enseigné Nous nous disons effectivement Nigériens. Quel est notre modèle de société Comment définir sociologiquement un Nigérien C'est quelqu'un qui est là sans repère. Donc euh, il y a cette question de, repère pour vous qui est fondamentale, qui joue un rôle fondamental, dans toute cette violence. Parce que justement le repère, c'est là où euh, il crée une certaine forme d'harmonie entre l'individu et son environnement physique et social dans lequel il vit. Alors, est-ce que vous pensez que l'avènement de l'Internet aussi a joué un rôle euh, dans L'avènement de l'Internet a fait en sorte que les individus, les enfants se sont véritablement éloignés des parents. Les parents ne jouent plus leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Pourquoi Pour la simple raison que les parents sont plus fréquents au bureau à la maison. Ils sont plus fréquents en face de la télé qu'avec leurs enfants. Ils peuvent être assis physiquement dans la même maison, dans le même salon, mais vous allez constater que et le père et les enfants sont en même temps absents et éloignés les uns des autres d'un point de vue moral. L'enfant tient son portable, il est dans son groupe WhatsApp, il est dans son groupe de réseaux sociaux, n'importe lequel, en train de causer avec ses enfants, tandis qu'ils sont assis dans le même salon avec son père qui se trouve être câblé à certains documentaires, à certaines informations qui rappellent d'autres, qui amènent des informations d'autres pays qui sont loin du contexte national de, la réalité de notre culture. Ce qui fait que les gens sont physiquement proches, mais d'un point de vue moral, d'un point de vue éducatif, véritablement distants. Ce qui occasionne ce relâchement des liens justement euh, des, parents vis-à-vis de leurs enfants à une certaine forme de dépravation parce que les enfants sont laissés à eux-mêmes sans repère, sans guide. Or, le rôle du père, c'est de guider effectivement son enfant parce qu'il ne doit pas laisser l'éducation de l'enfant à l'école. L'école éduque, mais en vérité, elle met plus l'accent sur l'instruction. L'instruction. Alors, euh, Oustaz Abdel Fattah, à la longue, quelles conséquences toute cette violence Oui, c'est tel qu'il vient de le dire d'abord. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam nous sommes tous des bergers. Et chacun de nous sera responsable du troupeau qu'on lui a confié. Et être responsable, ça commence du haut des autorités jusqu'à chaque famille, tout celui qui détient une parcelle de responsabilité. Et la morale islamique nous dit que encore, il n'est pas seulement orphelin, celui qui a perdu ses parents. Il est orphelin, celui dont les deux parents vivent mais malheureusement qui manque d'éducation. Il faut voir à quoi sont livrés nos enfants aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont des parents Il faut faire un tour dans les écoles, faire un tour dans la rue. Et quel, est le constat Dans les maisons. Dans les maisons. Je m'en nous dire encore aussi, il y a l'impunité qui commence d'abord dans les foyers. Mon enfant fait du mal, je le sermonne. Vous venez chez moi, vous ne demandez pas qu'est-ce qu'il a fait directement, vous me demandez de prendre patience puisque les enfants sont les mêmes. Et vous encouragez mon enfant, il a fait du mal. Vous ne me demandez pas qu'est-ce qu'il a fait afin que vous aussi vous contribuiez à ce qu'on le dresse. Et vous me blâmez, vous me condamnez devant mon enfant. Cela veut dire que demain il en fera plus. Pasteur Hamidou Zakou, à la longue, qu'est-ce qu'il faut craindre de cette montée de violence Oui, en fait, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que nous devrons prendre garde. Et ce qu'il faut craindre, c'est que si ça continue sans vraiment euh, solution rapide, la société euh, risque vraiment de se dépraver totalement et finalement il y aura de l'anarchie, il y aura en tout cas la destruction même de, de la vie sociale en tant que telle. Parce que lorsque les gens vivent sans paix, tant qu'il n'y a pas de paix, tant que les gens manquent de, sécurité dans leur maison, tant que les gens manquent de sécurité lorsqu'ils vont au travail, lorsqu'ils manquent de sécurité dans leur lieu de travail, je crois qu'il n'y a plus de vie sociale. Alors cela nous amène justement aux, solutions. Voilà. Euh, on, voit bien qu'il y a urgence à agir. Qu'il faut-il faire pour endiguer euh, ces phénomènes de, de violence Sur quoi mettre l'accent Ce qu'il faut faire, c'est revenir à la source. Revenir à la source, revenir à la parole de Dieu les enseignements. Il faut qu'il y ait des enseignements, que tous les parents prennent leurs responsabilités de parents à tous les différents niveaux. Parce que on dit quand euh, la famille va bien, tout va bien. Mais quand la famille va mal, tout ira mal. Ça veut dire que chaque parent doit prendre sa responsabilité au sein de sa famille, gérer la famille de manière à ce que cette violence-là soit vraiment bannie. Car la Bible nous dit enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire quoi Les enfants, dès leur bas âge, il ne faut pas dire que non, c'est des enfants, ils ne connaissent rien, il faut les laisser, comme Oustaz euh, l'a dit, il faut les laisser, non, quand ils vont grandir. Non, la Bible dit que c'est faux. Le prophète Moïse a reçu instruction de la part de Dieu d'enseigner les enfants dès qu'ils sont à bas âge. Quand ils vont grandir, il dit lorsque tu vas te coucher, il faut les enseigner. Lorsque tu vas te lever, il faut les enseigner. Lorsque tu voyages, il faut les enseigner. C'est-à-dire, il faut mettre vraiment l'enseignement dans tous les aspects de la vie. Et l'enseignement doit porter sur quoi L'enseignement doit, pour que... doit porter sur la parole Dieu, sur le respect. L'enseignement doit porter... parce que nous avons euh, dans la parole de Dieu dix principes fondamentaux sur lesquels toute société doit marcher. Rapidement quelques-uns. Voilà, par exemple, euh, d'abord, il faut adorer Dieu. C'est Dieu qui doit être adoré. Honore ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps heureux sur la terre. Tu ne tueras point. Tu ne voleras pas tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, toutes ces choses-là. Et la tolérance aussi, euh, la tolérance. La tolérance, oui, puisque. Le respect de l'autre. Oui, la tolérance et le respect de l'autre font partie d'autant plus qu'on dit tu ne commettras point de mal contre ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Et d'ailleurs, c'est ce que nous appelons le verset d'or. Ça dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si chaque personne aime son prochain comme soi-même, vous allez voir que notre société va vivre vraiment euh, dans le bonheur, parce qu'on peut vivre le bonheur sur la terre. Voilà. Ostaz Abdel Fattah, que faut-il faire pour, euh, pour endiguer ces phénomènes de violence Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Kuntum khayru ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah que vous êtes la meilleure des communautés que l'humanité n'est connu. Pourquoi Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que musulmans, on fait face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Nous respectons ce verset euh, Répondez à la question. <laughs> voilà. <laughs> voilà, c'est ce qui nous amène à la situation dans, laquelle nous sommes. Le non-respect de, Le non-respect de la parole de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, avec euh, la démocratie, euh, globalisation et autres, maintenant, on nous demande d'abandonner tout ce qui est à nous pour suivre les autres. Et les conséquences sont là. Et il y a aussi, et ce que chacun de nous voit euh, à l'écran, des films dont nous, on ne connaît pas, des réalités que nous, nous ignorons, auxquelles on habitue nos enfants. Et qui le fait Même eux, de l'autre côté, il y a des heures auxquelles les enfants ne doivent pas suivre la télé. Il y a des films qu'ils ne pas les enfants voir. Mais nous, tout est permis ici. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Le contrôle les portes sont largement ouvertes pour n'importe quoi. Et les conséquences sont là. Et il faut voir dans nos traditions. Et si, si je suis ton grand frère, il y a des traditions dans lesquelles toi, mon petit frère, tu ne dois pas m'appeler avec mon nom. Aujourd'hui, où est ce respect-là Il y a des enfants qui appellent directement leur papa avec leur nom. Donc, euh, l'essentiel qui est en nous, on essaie de le jeter. Donc, ce qu'il faut en résumé, c'est qu'il faut en résumer aujourd'hui pour, pour faire face à faut cette situation. S'assume. Euh, Il faut qu'on s'assume au niveau de l'État, au niveau de chaque parent, au niveau de tout un chacun. Si l'on veut réussir notre vie, c'est comme ça. Donc, la société musulmane, c'est une société qui croit en Dieu. Et pourquoi ignorer Dieu dans nos comportements euh, nous sommes aux solutions. La solution, principalement, doit venir d'abord de décideurs politiques de donner le repère. Ce qui choque tout spécialiste de comportement au Niger, quand il essaie d'observer, de procéder à une lecture du fonctionnement de nos structures sociales, c'est l'absence de repère. Les hommes politiques élaborent des programmes sur la base desquels souvent ils sont élus. Mais en vérité, quand vous examinez de très près ce programme, l'accent est mis plus sur des infrastructures, sur des constructions, pas en vérité sur des changements de mentalité ou des changements de comportement. Alors qu'en réalité, à quoi sert de construire des échangeurs C'est très bien. À quoi sert de construire des voies ferrées Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important que ça, c'est de faire en sorte que nos jeunes, notre société est un véritable repère en termes de mentalité pour que nous sachions où est-ce qu'on va. Et cela passe par quoi Ça passe par un projet de société digne de ce nom et qui doit être véritablement appliqué. Lorsque on va parler de la renaissance culturelle, comme c'est le cas par exemple par rapport à ce régime, lorsqu'on va parler de la modernisation sociale, il faudrait bien que cela s'observe en termes de changement de comportement. Autrement dit, le Nigérien qui, dans 20 ans, il faudrait bien que l'homme politique, le décideur politique dise que voilà ce que doit être le Nigérien dans 20 ans, en termes de citoyenneté, pour qu'il soit un citoyen exemplaire, respect de la chose publique, respect de la vie en société, le pardon vis-à-vis de l'autre, pour que nous arrivions quand même à vivre en paix et qu'il sente qu'il est effectivement fidèle à notre devise fraternité, notamment, qui doit caractériser en réalité toute cette entente, cet esprit de paix, de quiétude, de vivre ensemble qu'on devrait avoir autour de cette question de fraternité. Et par la suite, effectivement, le travail et éventuellement le progrès peuvent en découler. Mais sinon, de la façon dont on va maintenant, ça repère, aucun homme politique, pourquoi cela Parce qu'effectivement, les hommes politiques, ils se disent que eux, ce qu'ils veulent, qu'on dise que voilà ce qu'ils ont réalisé, voilà ce qu'ils ont fait. On rappelle l'histoire de quelqu'un qui a été président de ce pays et que dans un marché, on a demandé voilà une certaine somme, que quelqu'un vienne dire qu'est-ce que ce monsieur-là a réalisé pendant tout son mandat. Non, ce n'est pas ça qui importe. Le changement de comportement va beaucoup plus loin que la construction d'un pont, la construction de... C'est le repère, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire aux citoyens nigériens, lorsqu'il envoie son enfant à l'école et qu'on lui assure une bonne éducation, une bonne instruction, pour qu'il joue son rôle plein au niveau de ses, à l'endroit des autres citoyens du monde, pour qu'il se retrouve en tant que repère partout où il va, il se retrouve justement par rapport à sa nigérité, pour qu'on sente que c'est un individu qui comporte en lui, qui porte en lui l'emblème de son pays, une, certaine façon de savoir vivre avec les autres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi, jusqu'à preuve de contraire, tout ce qui nous préoccupe, c'est la question des marmites, c'est le manger et qu'on lutter contre justement l'insuffisance alimentaire et qui continue encore à gangréner nos comportements. Parce que les gens n'ont pas mis l'accent sur le changement de comportement, alors que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, Pasteur Hamidou Zakou, un dernier mot pour conclure cette émission Bon, le dernier mot que je vais dire, c'est tout juste pour revenir à ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire il faut que les hommes tous les responsables, effectivement, à, tous les niveaux, depuis le niveau, en tout cas, suprême jusqu'au dernier rang, puissent comprendre que nous devrons travailler, travailler vraiment euh, notre société, travailler nos propres vies, un changement de comportement, un changement de mentalité, un changement de direction, parce qu'on a pris une mauvaise direction et il faut revenir à la bonne direction. Et en ce sens-là, il faut revenir à la parole de Dieu, au respect en tout cas de, de l'individu, au respect du bien euh, commun, au respect du bien public, au respect de tout ce qui euh, en tout cas concerne la vie en société. Donc en ce sens-là, nous allons vivre dans la paix, dans l'harmonie et nous allons vivre vraiment un paradis sur terre. Euh, Abdel Fattah, un mot de conclusion Vous savez, même euh, en Afrique, on dit si tu veux réussir ta vie, il faut connaître tes parents. Il faut savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux et où est-ce que tu vas. Et dans le Coran, Allah a interpellé les fils d'Israël. Ya bani Israël. Israël veut dire quoi Il veut dire infidèle. Il respectueux auprès de Dieu. Donc Allah appelle ses enfants-là. Rappelez-vous de votre papa. De quoi il a joui auprès de son Seigneur. Que chacun de nous se réfère à ses parents pour honorer ses parents. Avant, il est difficile que quelqu'un parle et qu'on dise que non, que c'est faux. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous, on n'a pas peur de mentir. Avec euh, le mensonge, on ne peut pas bâtir une société. Et il y a un adage nigérian qui dit que tout bâtiment construit hein, à base de mensonges hein, va s'écrouler par la rosée. Malheureusement, euh, nous-mêmes qui sommes les parents, on n'a pas peur de mentir. Que voulons-nous que deviennent nos enfants Fin du forum de ce soir sur le thème montée de la violence de la société nigérienne. Nous retenons que parmi les causes qui font observer cette violence, on retient le problème de l'éducation, l'ignorance, on retient également l'absence de repères, on a retenu également le non-respect des principes, les principes de, la religion, des deux religions, notamment le christianisme, le christianisme, l'islam. La pauvreté également joue un rôle prépondérant. Et pour remédier à tout cela, il faut revenir à, la source. Il faut respecter euh, les principes des religions. Il faut que l'État s'assume, puisse s'assumer, notamment euh, en mettant l'accent sur le changement de comportement de la société, en faisant comprendre à chacun euh, son rôle. Les parents doivent jouer un rôle important dans l'éducation familiale pour que cette violence puisse, en tout cas, prendre fin au Niger. Je rappelle que nous étions en compagnie de Pasteur Amidou Zakou, trésorier du comité de dialogue interreligieux CEDIR, Oussaz Abdul Fattah Mamoudou, prédicateur, Sani Janjouna, sociologue. Présentation de cette émission à la Kouzi Mamadou, réalisation Diallo Mariama Kenda, à la technique Hassan Tawai. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour une autre édition. Bonsoir.